yéen ñi ngeen toog soose nag dafa am lu mu bëgg a wax si moom ndax li ñuy wax yëpp man dama ko koy seede ndax 2011 laa àndal soose boobu bañ àndee 2011 ba léegi gisuma mu dellu ginnaaw gisuma mu ragal gisuma mu yomb te lépp képp koo xam ne am militant nga wala militante lépp loo bëgg soose doom fu ñu àndal yow soose ku ànd ak moom nitam doo kenn du la doo ñeenteel loolu yëpp kuy def nag mu def kon lu may président Macky Sall nit ki nag bu lay sonnal di la liggéey yow tam dafa am loo ko war a cëralee te soo sa sonn na amul benn cër léegi nag ñun tamit luñ bëgg nañu ko defal mu nekk département mu nekk conseil département bu Koungheul te soo sa def defal yëmul ci Koungheul rek soo sa région bi yëpp la dugal loxo. jeunesse bi teg na leen loxo loolu président xam na ci dara.

man maa Fatou Dramé présidente de mouvement de soutien fii si commune Koungheul depuis 2011 maa ngi ànd ak Socédop derrière Socédop yoon di liggéeyal Macky Sall te ku ne xam ne ne ku ne xam ne ne Socédop lépp lu Macky Sall bëgg suba ma ngoon jot rek loolu la yaakaar naa benn wax bi rek la amul changement dañuy ñaan soo di Ceci prouve encore une fois notre ferme engagement et notre détermination à accompagner et soutenir Mme Sosidiop la Lalion de Bambouk dans ses missions politiques aux côtés de son frère et ami, le chef de l'État, Monsieur Macky Sall. Considérant son amour, sa loyauté et sa fidélité envers son Excellence, Monsieur Macky Sall, considérant son engagement sans faille dans l'intérêt supérieur du parti, considérant son amour et son affection pour son terroir et son soutien indéfectible aux populations de la région de Kafrine en général et en particulier aux habitants de Kungel sur le plan économique, social et éducatif. Considérant sa cote de popularité très élevée dans la région de Kafrine, considérant ses résultats politiques très satisfaisants à toutes les élections, considérant son altruisme et son pragmatisme dans la massification du parti, Considérant son héroïsme sans faille dans les victoires politiques de son Excellence M. Macky Sall dans le département de Kungel, considérant les coups bas et trahisons opérées par des lobbies tapis dans l'ombre à l'insu du regard de son Excellence M. Macky Sall, dont Mme Sosi Diop est victime, est victime. Considérant un diagnostic profond et détaillé dans la gestion opaque des ressources de certaines institutions locales comme le conseil départemental de Kungel considérant l'incompétence et l'impopularité dont l'actuel président du conseil départemental de Kungel fait preuve, considérant son âge très avancé, considérant le manque de transparence dans la gestion des fonds alliés au conseil départemental, considérant son manque de considération et de vision politique à l'endroit de la frange juvénile du département de Kungel, sur ces motifs, pour enfin booster le développement de notre terroir, et réparer une injustice récurrente dont Mme Sosi Diop John est victime, nous militants et sympathisants inconditionnels de la Lyon du Bambouk avons porté notre choix sur sa modeste personne pour prendre les commandes, les commandes du conseil départemental de Kungel aux prochaines élections locales qui auront lieu au, qui auront lieu au courant du mois de janvier 2022. Enfin, nous suggérons solennellement à son Excellence, Monsieur Macky Sall, de ne ménager aucun effort afin de porter Mme Sosidio Diop à la tête du conseil départemental de Kungel. Fait à Kungel le 31 septembre 2020. Merci de votre attention.